le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du forum du studio Kalangou. Ici Dokalango que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger, pareil dans les localités d'Arlit, de Tirozérine, de Menesoroa, Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Le forum d'aujourd'hui porte sur la thématique L'innovation au Niger, obstacles, atouts et perspectives. Quels sont les atouts du Niger en termes d'innovation Quels sont les principaux obstacles à l'émergence de l'innovation comme gage de développement Quelles sont les solutions à envisager Ce sont entre autres questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours du forum de ce soir. Pour en discuter, nous avons comme invité Mokhtar Alahouri, directeur général du centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPMEN. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir. Et Madame Touré Nadia, elle, c'est euh, celle qui a créé une application mobile de suivi de grossesse. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Et Abdulaziz Kounche, c'est lui, c'est le, lui, c'est le fameux Nigérien qui a fabriqué un drone. Bonsoir Abdulaziz. Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à tous. Notre forum de ce lundi 27 février 2017 est essentiellement consacré à la question de l'innovation et de la créativité dont fait preuve la jeunesse nigérienne dans divers domaines ces dernières années. C'est dans ce contexte que le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPMEN a initié le forum Sahel Innov qui s'est tenu, il vous souviendra, du 21 au 23 février dernier au Palais de Congrès Niamey. Sahelinov, une rencontre à laquelle a pris part environ sept pays sahéliens. À cette occasion, beaucoup de jeunes talents se sont illustrés et d'autres se sont vus même discerner des prix dans, dans les concours qui ont été organisés. Alors, je m'en vais euh, commencer avec vous, Mokhtar Alaouri. Vous êtes euh, le directeur général, je le disais, du, du CIPMEN, du centre incubateur qui a donc initié euh, ce, forum national. D'abord, je voudrais que vous nous rappeliez brièvement qu'est-ce que c'est que le CIPMEN et ses principales missions. Merci, merci encore pour l'opportunité que vous nous permettez donc de. De, faire connaître le CIPMEN, mais également plus globalement le, le, le, le forum Sahel Innov. Donc, euh, le centre incubateur des PME Niger est né d'un partenariat public-privé euh, avec des entreprises notamment euh, comme Orange, Total et l'État avec le ministère du Commerce. Donc, nous avons mis en place ce centre pour aider à la pérennisation des entreprises, notamment celles qui sont innovantes. Euh, donc nous sommes sur quatre secteurs d'activité, donc le numérique, les énergies renouvelables, l'environnement et l'agrobusiness. Euh, Aujourd'hui, ce que nous proposons comme prestation aux entreprises, c'est d'abord un local. Ils sont physiquement hébergés dans nos locaux. Et en plus de cela, nous apportons tout ce qui euh, permet à l'entreprise de grandir rapidement et justement de passer la vallée de la mort qui généralement est de trois ans euh, comme on le sait, la plupart des entreprises meurent au bout de trois ans, 80%, alors qu'en incubation, ce taux s'inverse. Actuellement, 95% des 17 entreprises que nous accompagnons sont encore euh, euh, euh, en vie et marche assez bien et crée beaucoup d'emplois, des centaines et des chiffres d'affaires assez intéressants. Avant la pérennisation, vous intervenez aussi dans leur, émergence, dans leur, naissance, je vais dire. Absolument, absolument. Nous intervenons euh, de l'idée jusqu'à la... création. C'est l'un de nos, notre premier programme, le programme de pré-incubation et ça permet comme ça de créer aussi une émulation. Et après la création, nous intervenons sur le développement avec l'incubation, cette fois-ci qui dure trois ans. Donc de l'idée à la création, nous accompagnons, nous avons accompagné à ce jour une soixantaine de porteurs de projets euh, à travers un programme de 4 à 6 mois. Alors ce forum Sahel Innov qui a eu lieu, euh, c'était quoi l'objectif visé euh, par le CIPMEN en, organisant cette rencontre sous-régionale Oui, exactement. Sahel Innov, c'est que nous sommes partis d'un constat du fait qu'aujourd'hui le modèle du CIPMEN se replique euh, notamment dans des pays comme la Guinée ou le Mali, que nous avons accompagné à se doter d'incubateurs. Nous faisons la même chose au Tchad et au Burkina actuellement. Les projets sont en cours. Alors, le constat, c'est que c'est la zone euh, aujourd'hui du, du monde hein, qui regorge, en tout cas qui, en termes de défis les, les, plus importants, en termes d'adaptation au changement climatique, euh, de démographie, de création de richesses et d'opportunités pour les jeunes. Et donc aujourd'hui, à côté de ces défis-là, on voit émerger une dynamique autour des startups, donc ces entreprises innovantes qui, du fait de l'innovation, ont une euh, valeur compétitive, euh, un avantage compétitif certain. Et donc c'est pour cela que nous avons profiter donc de cette opportunité pour répondre en fait à ces défis-là en mettant en place Sahel Innov qui permet de mettre d'abord la lumière sur ces entreprises et deuxièmement de voir comment les faire grandir rapidement à travers le réseau de cet incubateur du Sahel. D'accord. Et je me tourne vers Mme euh, Madame Touré Nadia. Alors, vous faites partie des innovatrices nigériennes. Euh, vous, vous, avez euh, une application, vous avez développé une application numérique euh, donc de suivi de, de grossesse. Dites-nous concrètement de quoi il s'agit et en quoi ça consiste. D'accord. Et d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je m'en vais un peu expliquer l'innovation que j'ai. Tout d'abord, je suis la promotrice de Anagi Mobile, une entreprise incubée au Euh, nous sommes spécialisés dans la création d'applications mobiles et d'applications Android pour le suivi de grossesse euh, des femmes nigériennes et aussi euh, pour le suivi de l'enfant. Donc euh, ici, l'innovation, c'est en fait une application Android qui s'appelle Coach Santé et qui comporte des modules et des sous-modules et permettant aux femmes à mieux comprendre leur grossesse et à mieux aider, à mieux comprendre l'évolution de, de, leur enfant. C'est des modules et des sous-modules qui sont, qui sont euh, programmés dans le téléphone et téléchargeables euh, grâce à... Alors concrètement, comment ça marche une femme euh, qui est enceinte par exemple Comment est-ce qu'elle peut utiliser C'est à partir de quel moment est-ce que l'application est utilisable et, quels sont les les enseignements qu'elle peut tirer selon les périodes Merci pour la question. En fait notre entreprise, euh, on a six mois d'existence. Nous sommes en phase de prototype qui est fini à 70%, mais que, l'application reste quand même euh, fonctionnelle, elle marche. On n'a pas hébergé l'application, euh, on est en phase de test. Voilà, que c'est pas disponible en fait. Mais si vous voulez, je vous explique un peu ce que l'application fait. Rapidement. Voilà, rapidement. Donc nous avons trois modules. Nous avons le module euh, qui concerne la consultation prénatale. Il y a un autre module qui concerne euh, la consultation euh, postnatale, le suivi de l'enfant. Et le troisième module concerne les agendas et comment prendre son, rendez-vous, par exemple, chez son médecin à travers l'application. Ça marche tout seul quand on a ça dans le téléphone. Exactement. Oh, ça facilite en fait la clientèle euh, euh, par exemple pour les rendez-vous chez son médecin gynéco, à travers le, l'accès à, à, coach santé. Là, vous pouvez prendre votre rendez-vous chez le médecin et voir s'il y a des places disponibles pour pouvoir euh, aller consulter. L'ambition, c'est de vous pouvoir l'étendre sur toute le. Pour notre premier essai, on voulait tester pour, le Niger d'abord et ensuite voir si on peut, que si toutes les soeurs peuvent peuvent télécharger l'application de par le, monde. Quoi. Mais le premier test, c'est uniquement aux femmes nigériennes, pour un, premier euh, un, début. Alors, euh, la question que je voudrais poser quand même, c'est euh, pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement à ces domaines, la santé maternelle. Merci pour les remarques. Est-ce que vous êtes médecin Je ne sais pas. D'accord. Donc, l'idée ici, c'est lier la technologie et la santé. Voilà, je crois qu'ils font un bon ménage. En fait, ce qui m'a poussé à créer ma start-up, en fait, c'est euh, à, partir des constats. Les constats sont nombreux. Nous avons, par exemple, euh, et au Niger, d'après les statistiques, chaque femme accouche euh, toutes les minutes. Voilà. Et parmi elles, il y a celles qui accouchent à domicile sans matrone, sans suivi. Et peu, en tout cas, il y a quand même parmi elles celles qui, arrivent à avoir la chance d'accoucher dans les centres de santé donc le nombre insuffisant de matrones, ça c'est un. Deux, nous avons un problème de d'accompagnement à la maternité de ces femmes-là, je m'explique. Et de nos jours maintenant, trouver quelqu'un qui va vous accompagner et vous assister pendant la et à la maternité, trouver ce genre de personnes, je pense que c'est de plus en plus difficile. Du, fait de leur euh, non-disponibilité, il y a aussi, on trouve pas la bonne personne. Donc, du coup, j'ai dit pourquoi pas ne pas mettre un service qui va et pour répondre euh, à, pour pallier à ces problèmes. Voilà. Donc, euh, d'où l'idée de la création de, Mobile et Coach Santé. Vous n'êtes pas médecin par hasard euh, Je suis. Au fait, j'essaye de matérialiser informatiquement, numériquement les idées. On est en collaboration avec ces, ces femmes, ces sages-femmes. Donc, on essaye de matérialiser leurs idées à travers la, technologie. la technologie. Voilà. Merci. Et je me tourne maintenant vers euh, notre troisième invité qui se trouve être Abdelaziz Kounché. Lui, c'est le fameux fabricant de drones. Allez, dites-nous, euh, Abdelaziz, c'est quoi euh, ce drone Ça ressemble à quoi et c'est quoi l'objectif visé à travers ce drone Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc en fait, un drone, un drone, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être aussi bien un avion, un hélicoptère que qu'une voiture, qu'un bateau. Donc nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle les, les drones de type avion. Donc euh, ça ressemble à un avion, c'est petit, euh, l'envergure, donc la taille des ailes tourne autour de 2 mètres. Et euh, ce drone a pour, pour mission de, de pouvoir effectuer ce qu'on appelle le travail aérien, du travail aérien. Donc le travail aérien, c'est le fait de pouvoir, par exemple, faire des missions de cartographie qui peuvent être très très utiles aussi bien pour les ingénieurs agronomes que pour les projets, les ONG. Il permet d'avoir une cartographie de très haute précision, mais à très très faible coût. Il n'est pas nécessaire maintenant, par exemple, de louer un avion, le photographe et le pilote. Vous avez uniquement votre drone que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire cette mission-là. Alors, euh, euh, vous, avez, euh, vous avez déjà produit quelques, quelques, prototypes, si j'ose dire. D'abord, il y avait le, premier qu'on connaissait, c'est le T900. Ensuite, vous avez passé à d'autres séries. Dites-nous quelle était la différence entre ces séries. Exactement. Donc, le T900 c'est vraiment démarqué du fait que ça a été vraiment le tout premier drone construit au Niger, fabriqué au Niger, avec des produits à l'époque que j'avais acheté à Katako. L'idée était de le marché Katako. Le marché Katako, oui, j'avais utilisé du contreplaqué, de la colle de là-bas. L'idée était de pouvoir arriver à construire un drone en utilisant des une matière première euh, directement locale, exactement. Ce drone n'a pas vraiment été euh, en mission. Il a été d'ailleurs une seule fois en mission, mais il a permis quand même euh, de pouvoir lancer Drone Africa Service, par exemple, aujourd'hui, parce que c'est ce drone-là qui m'a permis d'effectuer la toute première mission à laquelle j'ai pu quand même être rémunéré. Et euh, donc après le, le drone T900, il y a eu le drone T800 qui est actuellement en service. Ce drone est décliné en plusieurs versions. C'est notamment ce drone-là qui a permis de pouvoir cartographier euh, une grande partie des sites de réfugiés dans la région de Difa euh, ce drone est très très performant et il a permis aussi de pouvoir euh, effectuer des missions dans tout le Niger. Nous l'avons fait voler vraiment dans toutes les régions du Niger. Euh, Maradi, Tawa, Agadez, Difa, Chintabaraden, Zender et j'en passe. Donc, vous travaillez actuellement sur, sur une dernière série. Exactement. Donc là, nous travaillons sur une dernière série qu'on appelle le drone T600. Le drone T600 se, démarque des autres drones du fait que ce sera le premier drone qui sera industrialisé ici au Niger. Donc nous sommes en train de faire en sorte que ce soit le premier drone qui sera vraiment industrialisé. Il sera trois fois plus performant que le drone T800 et il permettra aussi de créer de l'emploi dans le sens où euh, dans, les phases d'industrialisation, nous allons recruter des gens pour pouvoir travailler. Pour faire voler ce drone, ça demande quoi c'est de l'essence, c'est euh, euh, des batteries. Ça fonctionne avec euh, de l'énergie électrique. Donc le drone T600, embarquera des, batteries de très très haute technologie pour pouvoir le faire voler. Alors une dernière question, est-ce que pour, parvenir à, à, réaliser une telle prouesse, si j'ose dire, est-ce que vous avez fait vos études ailleurs, je ne sais pas Alors moi, personnellement, j'ai fait mes études ici au Niger. D'ailleurs, ça, ça interpelle beaucoup de gens. Oui, mais tu as fait tes études au Niger, mais comment ça se fait que tu te retrouves dans le monde du drone Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis parti d'une passion. C'est vraiment une passion qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. J'ai toujours été passionné par tout ce qui vole. Donc euh, j'ai suivi des études parallèlement, mais j'ai pu quand même euh, pu faire vivre ma passion. J'ai eu la chance de faire vivre ma passion et aujourd'hui, ben, j'arrive à pouvoir subvenir à mes besoins grâce à ma passion. Merci. Et euh, alors, je le disais tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs concours lors du forum Sahel Innov, entre autres le concours de PIC pour le meilleur projet. Il y avait le concours d'innovation agricole dont le premier prix a été revenu à un Nigérien, Yakoba, en l'occurrence euh, pour sa tomate en poudre, et un concours d'application numérique euh, remporté aussi par un Nigérien. Je veux vous proposer de suivre l'appréciation du nouveau partenariat pour le développement, le NEPAD, qui a assisté à cette rencontre du Sahel Innov, Madame Ingi Fatiassan, directrice de cabinet du secrétaire exécutif du NEPAD. Vous avez assisté euh, la semaine dernière euh, au forum Sahel Innove. Quelle a été votre impression C'est une impression globalement très très positive. Tout d'abord parce que c'est une équipe jeune qui a mis en œuvre ce projet. Cela montre qu'il faut vraiment réussir à faire confiance à la jeunesse dans ce pays. Et puis toutes les initiatives qui ont été présentées sont vraiment porteuses d'espoir. Euh, c'est vrai qu'au Niger, on a l'impression que les choses n'avancent pas, que tout est difficile, que nous, avons des, nous nous contentons de standards assez bas. Mais nous voyons que malgré tout ça, on a des entrepreneurs qui se battent, euh, qui trouvent des moyens très créatifs de travailler avec les moyens du bord, avec ce qu'ils peuvent, euh, ce qu'ils peuvent mobiliser comme moyens. Euh, pour produire des choses absolument extraordinaires. Euh, quand on voit euh, euh le, producteur de, de, tomates en poudre qui a gagné un prix, euh, il a présenté un produit extrêmement abouti. Et quand on fouille un petit peu, ce monsieur, ce jeune homme a créé son entreprise en 2013. Donc ça veut dire que ça fait trois à quatre ans qu'il travaille sur ce projet avec abnégation, avec ténacité. Euh, il a réussi à intéresser plusieurs acteurs, dont la diaspora qui l'a beaucoup aidé, la diaspora nigérienne en France qui l'a beaucoup aidé. Euh, il, a mobilisé, il a mobilisé également le SIPMEN et puis effectivement d'autres acteurs du, secteur privé et du secteur public pour arriver à un produit dont nous pouvons tous être fiers et que nous devons effectivement soutenir, euh, que ce soit les ménagères ou les investisseurs pour lui permettre de développer son entreprise. Madame Ingi Fati Hassan, directrice de cabinet du secrétaire exécutif du NEPAD, interrogée par Mokhtar Amadou. Alors, Mokhtar Alahouri, directeur général du CIPMEN, le Niger est un pays qui regorge d'énormes potentialités euh, en termes d'innovation sur lesquelles le pays doit compter pour se développer. Oui, non, complètement. Euh, c'est le rôle du SIPMAN, hein, c'est de trouver ces passionnés-là, comme Abdelaziz, comme Nadia, comme la télé-irrigation avec Abdou, et il y en a 17 comme ça au SIPMAN. C'est vraiment des passionnés, c'est pas des gens qui au début gagnent de l'argent. Euh, très souvent, c'est des personnes qui développent leurs euh, innovations chez eux, euh, dans des conditions souvent très difficiles pendant beaucoup d'années. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont cette euh, euh valeur euh, en fait compétitive qu'aucun concurrent ne peut rattraper en fait parce que personne ne peut vous arracher cette passion-là. Et donc nous, tout ce qu'on fait, c'est d'apporter cette, cette fois ce côté business faire en sorte que cette innovation soit monétisée et surtout rentable. Et aujourd'hui, il y a un marché qui se crée, soit au niveau du Sahel, mais aussi au niveau du Niger, et euh, notamment avec l'État pour voir comment faire passer à l'échelle ces, innovations-là. Alors, comment vous, au niveau du CIPFEN, comment vous travaillez concrètement pour mettre, pour mettre en valeur toutes ces potentialités D'abord, euh, comme je disais tantôt, pour fonctionner comme une entreprise normale, il faut la structurer. Donc euh, avoir un modèle économique. Euh, pendant longtemps, Aziz disait c'est un passionné, donc il faisait des missions à gauche et à droite. Mais l'idée, c'est d'avoir un vrai modèle économique euh, structuré, avoir une équipe, tenir, avoir une comptabilité saine et puis avoir un développement commercial avec une stratégie de vente claire, un process de production maîtrisé et aussi enfin faire la communication et le marketing qu'il faut derrière. Donc, et c'est tout ce coaching que vous, à votre niveau Absolument, que nous apportons. Nous sommes une équipe de 12 personnes euh, complètement dédiées à cette activité-là, euh, de 12 passionnés aussi, parce que c'est pas toujours facile <laughs> de travailler avec les entrepreneurs. Donc, euh, ces 12 passionnés qui sont au service et ne sont quasiment intégrés dans les équipes des entreprises que nous accompagnons. C'est vrai, vous dites que euh, ce n'est pas facile de travailler avec des entrepreneurs Ah non, n'est pas facile et heureusement. <laughs> ils, sont, ils sont qu'ils sont parce qu'ils sont comme ça. D'accord. Euh, Madame Touré Nadia, alors dites-nous, on sait que tout travail n'est pas facile, comme vient de le dire tout à l'heure Al-Mokhtar. Vous, à votre niveau, pour, pour cette initiative, pour cette innovation, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face euh, ah, d'accord. D'abord, euh, la difficulté qu'on peut dire, euh, premièrement, c'est l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas sans savoir que l'entrepreneuriat reste un domaine euh, essentiellement dominé par les hommes. Peu de femmes s'y intéressent, mais grâce à Dieu, on commence à s'intéresser à concurrencer, si je peux le dire, avec eux. grâce à Dieu, mon entreprise a, a vu jour, ça fait six mois, je suis contente. Comme l'a dit chef Mokhtar, on est des passionnés, on ne va pas se laisser faire. Ça, c'est euh, les premières difficultés. C'est cette concurrence avec la, masculine. masculine. Et le deuxième, bon, comme je vous l'ai dit, on est une jeune entreprise. On vient de commencer avec nos maigres fonds. Donc, le second problème que je peux notifier, c'est le partenariat, le manque de partenariat. On veut plus de partenaires qui nous accompagnent dans ce domaine. Euh, les, partenaires partageons nos, visions, nos mêmes visions, à savoir euh, euh, suivre les femmes enceintes, euh, euh coacher, les former à mieux comprendre leur grossesse. Voilà. Alors, merci Nadia. Oh, Je m'en vais vers notre troisième invité qui est Abdelaziz Kounchi. Et vous, à votre niveau Apparemment, tel que vous nous décrivez le, le, drone, les séries T900, T800, apparemment, il y il y a moins de difficultés. <laughs> Si, on a toujours des difficultés, mais l'essentiel c'est de pouvoir les surmonter. Euh, oui, nous faisons face à quelques difficultés. Là déjà, on, nous sommes en phase de prototypage. Donc euh, ce que j'appelle le prototypage, c'est qu'on sort d'abord un premier modèle test euh, qui va permettre vraiment de valider euh, et d'être sûr que le modèle vole bien et est conforme à ce qu'on attend de lui. Et il faut savoir que pour pouvoir faire ces phases-là, nous sommes, nous sommes dans un nous sommes en train de pouvoir le faire, mais à nos propres fonds. Faisons tout avec nos propres fonds. Nous avons des fonds en recherche et développement, bien entendu, parfois qui sont insuffisants. Donc, euh, l'initiative du, T, du T600, si vous voulez, c'est vraiment de créer de l'emploi, de faire en sorte que ce soit le premier drone qui soit industrialisé dans notre pays. Ce qui est vraiment incroyable. Mais pour pouvoir y arriver, on est obligé, nous, en tant que euh, start-up, jeunes start-upers, de de pouvoir nous, nous autofinancer pour réussir à le faire. Donc c'est vraiment un challenge. Vous voulez dire que jusqu'à présent, à l'heure actuelle, vous vous débrouillez avec vos propres moyens, il n'y a pas de, de, de partenaire qui vous accompagne euh, de manière conséquente Absolument. Pour le projet T600, c'est un projet qui est entièrement, uniquement, euh, comment s'appelle encore, euh, financé que par notre start-up. C'est vraiment une initiative qui est interne. On peut avoir une idée de, du montant donc le montant va dépendre des séries, parce qu'il faut savoir que le T600 se démarque des autres du fait que vous avez quatre séries. Vous avez, c'est un drone 4 en 1, c'est-à-dire qu'avec le même drone, vous pouvez faire quatre choses. Donc le prix varie en fonction des, séries. Ça peut aller de 15 millions à 30 millions suivant le type de modèle que l'on choisit et les capteurs embarqués. Vous, vous, ne, procédez pas souvent avec euh, des prêts au niveau des banques Donc nous, en fait, euh, comme on est jeune start donc j'avais vraiment pris euh, la décision de me dire, bon écoute, en tant que jeune start l'idée vraiment c'est de ne pas s'endetter, de ne vraiment pas aller vers la dette. Donc tout ce que l'on fait, on le fait euh, de manière entièrement autonome, on se finance euh, vraiment de manière entièrement autonome. Donc on n'a pas vraiment pris de prêt. Et c'est d'ailleurs même ce qui me rend joyeux, c'est le fait de me dire que je peux dormir euh, tranquillement tout en sachant que je n'ai pas de dette. <laughs> D'accord. Alors Al-Mokhtar euh, Alaouri, DG du, du CIPMEN, Centre Incubateur des Petites et Moyennes Entreprises, vous avez donc écouté nos deux innovateurs et est-ce que vous partagez euh, quel autre obstacle les innovateurs nigériens euh, vous font part Oui, non, et c'est pareil, hein, c'est partagé hein, sur toute la, dans la sous-région, voire même au-delà. Ce qu'il faut, c'est un écosystème. Donc, dans un écosystème, il y a plusieurs leviers. Ils l'ont signalé tantôt, euh, les leviers liés à l'accès au financement. Mais avant tout ça, je pense qu'il y a aussi un levier très important, c'est le levier d'accès au talent on manque de talent dans ce pays euh, qui puisse vous aider. Euh, si aujourd'hui Aziz avait assez de talents passionnés comme lui, il pourrait se en fait s'occuper d'autres choses. Pareil pour Nadia. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au four et au moulin. ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas les, moyens de recruter de, face à la concurrence, par exemple, des entreprises comme Orange ou Airtel pour recruter des ingénieurs. Juste à titre d'exemple, nous avons le même niveau de salaire au Niger qu'en Côte d'Ivoire, du fait de la rareté des, talents. À côté de cela, il y a aussi le manque d'infrastructures, des incubateurs, des endroits où ces entrepreneurs peuvent se retrouver. Il y a aussi à côté du manque de talents, de l'accès au financement, des infrastructures. Euh, on peut citer la fiscalité, l'environnement juridique et fiscal qui doit évoluer. Et ça, c'est un combat que nous menons euh, pour voir comment est-ce que ces entreprises innovantes qui financent de, de la R&D aujourd'hui doivent ne pas, enfin, pendant un certain temps, ne pas payer d'impôts ou de taxes. Mais c'est le contraire. C'est le contraire maintenant. Aujourd'hui, ils sont traités comme des PME alors que quelqu'un qui passe 15 ans en train de développer un produit ne doit pas être considéré comme celui qui va acheter son riz euh, à Cotonou et puis venir vendre. Et quand vous parlez de, manque de, talent, est-ce que vous voulez parler de, de, l'insuffisance de la formation, vous voulez dire de, ou de, sa qualité C'est les deux. il y a un gap entre ce que produit aujourd'hui l'université et ce que demande en fait le marché notamment le marché du secteur privé, secteur privé innovant. Et donc, euh, arriver à créer, à créer, et à aider, nous c'est ce que nous faisons souvent aussi même dans le numérique, avec ce concours d'application numérique, par exemple, les 26 jeunes ont été formés pendant un mois notamment avec euh, des membres de la diaspora qui sont venus, auxquels nous avons juste acheté un billet d'avion et qui sont venus pour former pendant un mois ces jeunes-là. Et ces jeunes ont été en mesure de faire voilà, des, prototypes euh, et dont l'application le, le, e-santé qui a remporté le premier prix. Et nous pensons que c'est comme ça, en alliant euh, nos talents de la diaspora, en les faisant revenir petit à petit et faire transfert de connaissances et aussi inversement envoyer nos entrepreneurs, la plupart de nos entrepreneurs ont voyagé voyagent beaucoup dans des voyages d'études ou d'échanges et ça leur permet comme ça d'ouvrir leurs esprits, de se confronter au meilleur et ça permet de tirer tout ça vers le haut. Alors, quelle autre perspective euh, vous, vous, vous, voyez pour l'émergence et le développement de l'innovation au Niger ah, Les perspectives sont bonnes. Euh, d'abord parce que, comme vous l'avez vu, nous avons eu le soutien du président pour Sahel Innov c'est très fort. C'est important. C'est important. C'est important pour nous parce que qui dit innovation, voilà, dit de créer les conditions. Donc nous pouvons maintenant porter des messages et nous serons certainement écoutés pour que euh, ces conditions-là soient créées. L'accès au marché, l'accès à un environnement fiscal plus incitatif. Et deuxièmement, il y a le niveau international. La secrétaire générale de l'OIF qui est la marraine de Sahelinov porte aussi ce message-là. Elle continue aujourd'hui encore, j'ai vu des tweets sur Sahel Innov venant de, la, de, Madame Michael Jean. Donc voilà, il y a une dynamique qui est là et nous sommes un peu le lead de cette dynamique-là sur le Sahel. Et nous pensons que grâce à ces champions que nous avons aujourd'hui, nous pouvons créer beaucoup d'emplois à condition que nous soyons soutenus. Mais en tous les cas, ce n'est qu'un début. Le meilleur reste à venir. Alors après ce Sahel, vous avez le retour euh, sur, le, sur les résultats Est-ce que ça a déjà porté des fruits ou est-ce que vous avez le retour Bon, pour l'instant, c'est des retours très. Euh, ah, c'est un retour partiel parce que nous n'avons pas encore assez de recul pour mesurer tout l'impact. Mais nous avons à peu près plus de 2000 participants qui ont, qui ont, participé à, Sahel Innov. Il y a eu beaucoup de fonds qui ont été levés auprès des investisseurs. Nous avons fait venir une dizaine d'investisseurs de plusieurs pays. Euh, il y a ces concours qui ont permis de rémunérer et de mettre surtout la lumière sur beaucoup de choses auxquels en fait euh, les Nigériens n'étaient pas euh, forcément sensibilisés et euh, donc aussi l'organisation il semblerait que ce, soit bien passé donc nous sommes contents ça veut dire qu'on peut faire confiance aujourd'hui à une jeunesse et nous ne sommes que un petit exemple parmi de, choses formidables qui se font à côté. Alors, Abdelaziz Kounche, vous avez participé à, à, ce forum. Une petite appréciation, une appréciation mais vous savez, Sahel Innov, c'est tout simplement formidable parce que Sahel Innov, par exemple, pour nous, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on n'était vraiment pas les seuls euh, euh, dans le monde de l'innovation. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que, vous savez, pendant des années, j'ai cru que, que j'étais isolé, que j'étais seul, que j'étais seul à pouvoir développer mes propres produits. Mais le fait d'être à Sahel Innov, ça m'a vraiment permis d'avoir une autre vision, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes Nigériens qui ont aussi des idées. C'est peut-être pas dans le même domaine que moi, mais qui ont quand même des idées qui sont remarquables et que, je respecte. Et ça, ça donne vraiment du bon au cœur. Et c'est aussi, je, tenais aussi de vivre à remercier euh, le CIPMEN pour euh, cette initiative-là. Et, je, et je, suis déjà impatient de voir le, nouveau Sahel 2018. Euh, deuxième édition. Nadia, c'est votre point de vue euh, oui, je partage euh, exactement ce que Aziz a dit. Euh, je remercie aussi le, le pour tous les efforts qu'il a eu à déployer. Malheureusement, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu participer. Bon, j'espère que je suis excusée. vivement le, le Sahel Innov 2018. On attend avec impatience. On a des, beaucoup de choses à vous montrer pour 2018, Inch'Allah. <laughs> Avant de passer à la dernière partie de, de, ce forum, je voulais juste vous demander, Al-Mokhtar, les, innovateurs sont tous du Niamey ou venus d'autres régions du Niger Alors, essentiellement, bon, vu les, les, moyens limités, nous avons pu mobiliser essentiellement les innovateurs de Niamey. Sur la partie agricole, grâce à notre partenaire, le PPAO, nous avons pu faire venir certains de la région, notamment Sedama, Tawa, Dosso, euh, ou, le lait de Chamel, etc. Mais il y en a quand même en région. Il y en a, il y en a beaucoup en région. Il y en a beaucoup en région. Merci. Pour terminer ce forum, je voudrais qu'on évoque euh, cet aspect de l'innovation ou de la créativité. C'est les questions de propriété intellectuelle. Quand on crée euh, quelque chose, cela nous appartient. On a le droit de regard euh, et d'utilisation sur son œuvre contre toute utilisation abusive d'autrui. À ce sujet, nous nous sommes entretenus avec le directeur général de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation l'agence, l'ANDPI, elle est créée en 2012 et a pour mission essentielle de promouvoir la protection de l'utilisation de la propriété intellectuelle et de lutter contre la contrefaçon. Monsieur Trapsida Jérôme Omar, directeur général de l'ANDPI, que je vous propose d'écouter. Pour être breveté, l'invention ou l'innovation doit remplir un certain nombre de critères qu'on appelle les critères de brevetabilité. Le premier critère de brevetabilité, c'est la nouveauté il faut que l'invention soit nouvelle. Et on dit que l'invention est nouvelle si l'invention n'existe pas en tant que telle dans l'état de la technique. Et cette nouveauté se constate à travers toutes les technologies qui ont été mises au point dans le monde et qui se trouvent dans les bases de données. La deuxième condition de brevetabilité, c'est l'activité inventive. L'activité inventive veut dire quoi Elle mesure l'intensité de l'invention votre invention, on dira, donc, remplit cette condition si l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Le troisième élément, c'est l'application industrielle. Parce qu'on vous délivre un brevet, c'est pas pour que vous gardez le produit. C'est pour que ce produit-là puisse être multiplié en industrie et que la communauté tout entière puisse bénéficier de votre invention. Donc, si justement l'invention ne peut pas être multipliée industriellement pour permettre à la population entière d'en bénéficier, on ne vous délivrera pas aussi le brevet d'invention parce qu'on vous dira que cette troisième condition de brevetabilité n'est pas remplie. Est-ce que euh, le brevet est le, seul instrument pour protéger les, innovations Il n'y a pas que le brevet. Parce que si vous vous arrêtez au brevet, vous n'allez pas pouvoir entrer véritablement dans la phase commerciale. Euh, à partir du brevet, vous transformez le brevet, vous faites l'innovation. L'innovation, ça veut dire que vous avez sorti un produit. Maintenant, ce produit, il faut le porter vers le consommateur. Dans le cas d'espèce, l'innovateur a sorti son produit. Mais ce produit, comment est-ce qu'on peut le reconnaître sur le marché Il faudrait que ce produit, qu'on lui donne une forme. Déjà, la forme qui est donnée, c'est aussi un autre instrument de propriété industrielle qui est le dessin et le modèle. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour aller vers le consommateur. Parce que quand il va se mettre dans le, marketing de son produit, qu'est-ce qu'il va utiliser pour pouvoir attirer la clientèle et faire connaître que c'est son produit Mais il faudrait aussi, en plus de cette forme, mettre un logo pour pouvoir faire la reconnaissance du produit. Est-ce que cela veut dire qu'une seule œuvre peut nécessiter plusieurs protections Et va de soi les trois se complètent. La première étape, c'est euh, la technologie qui est à l'intérieur. La deuxième étape, c'est la forme que vous donnez et cette forme pour attirer. Et la troisième, c'est le nom sous lequel vous allez vendre, qu'on puisse reconnaître que ce produit vient de vous. Pour euh, faire la protection par le brevet, euh, vous devez payer la taxe de protection qui est d'environ 200 euh, 000 et la taxe de publication. Parce que quand on vous délivre un brevet, le brevet est publié à l'échelle mondiale. Les taxes qui sont à payer, vous avez la taxe de, de, dépôt, je disais, qui est de 200 000 francs, la taxe de publication qui est de 325 000 francs. Mais nous, nous accordons une subvention aux innovateurs nationaux, qu'on appelle économiquement faibles. Au lieu de leur dire de payer 525 000 environ pour assurer la première protection. On leur demande de payer autour de 22 523 000. Maintenant, pour le maintien en vigueur de la deuxième annuité euh, à date anniversaire jusqu'à la cinquième, ils vont payer environ 44 000. De la cinquième jusqu'à la dixième année, ils vont payer 75 000. Maintenant, à partir de la dixième année, on les lasse parce qu'on se dit qu'ils sont dans le commerce, ça marche, Jérôme Trapsida Oumarou, directeur général de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation. Alors, je commence avec vous, Madame Touré Nadia. Est-ce que vous, vous avez déjà passé euh, par la protection euh, de la propriété euh, intellectuelle Est-ce que vous avez pensé à protéger cette idée, à protéger votre œuvre D'accord, merci pour la question. Euh, j'ai écouté avec intérêt euh, les propos du directeur de l'ANPI. Et eh ben, vous, n'êtes pas sans savoir que mon, entreprise est la toute première euh, à, créer des applications Android dans le domaine de la santé. Donc, concernant la protection, je compte bien le faire pour protéger mon application. C'est 100% nigérien et je compte aller vers ce monsieur-là pour qu'il nous guide et pouvoir euh, remplir les formalités qu'il faut. En tout cas, je compte bien euh, protéger l'application. protéger euh, au niveau sur le plan national d'abord, non Exactement, sur le, plan national. Ensuite, voir si c'est possible, si c'est faisable de le faire sur le plan international. Quel que soit le prix qu'on vous demandera ah, Nous avons espoir que les partenaires voudront nous, aider dans ce sens et pouvoir protéger l'application. C'est ça qui est D'accord. Et Ablaziz Kounché, vous, avez-vous déjà déposé un brevet pour votre drone Vous avez pensé aux marques, à la marque, au modèle si, actuellement, on est en train d'y penser très très sérieusement. Donc, euh, pour le T600, effectivement, nous sommes en cours justement de pouvoir déposer un brevet parce que ce sera le premier drone qui sera industrialisé. Et comme monsieur euh, Jérôme, Trapsida l'a dit, c'est que la, troisième condition, il faut que ce soit un produit qui soit industrialisé. Et le T600, justement, est, le produit qui sera industrialisé. Donc nous sommes en phase de déposer un brevet. Je suis actuellement en train de rédiger, justement, la, demande de, de brevet. Alors, Mokhtar Alaouri, DG de SIPMEN, est-ce que dans votre mission, cet aspect de, propriété intellectuelle est, pris en compte euh, Effectivement, on essaie de sensibiliser nos, entrepreneurs à le faire, mais il faut bien spécifier euh, que le brevet, ce n'est pas que tout. J'ai bien aimé l'intervention de, de M. Trapsida ce qui, qui compte, c'est la commercialisation. du moment que vous êtes sur le marché, vous commercialisez, vous êtes agressif sur le marketing, à ce moment-là, bon, même si quelqu'un vole votre idée, vous êtes déjà parti. Euh, vous pouvez breveter à n'importe quel moment, mais il faut protéger parce que, comme il l'a dit, le brevet, c'est un coût. Donc, si vous n'exploitez pas votre brevet, ça va vous coûter et vous n'en tirez pas des, revenus. Donc, euh, et dans le numérique, on remarque qu'il y a une nouvelle tendance avec les logiciels libres. Donc, c'est une marque blanche. Il suffit juste de le mettre euh, sans brevet. Ça permet comme ça à toute une communauté de pouvoir travailler sur vos outils gratuitement, mais c'est la valeur ajoutée que chacun apporte qui permet de faire grandir. Donc, je pense qu'il y a plusieurs approches. Il faut le brevet est une des solutions pour finir, on va faire une dernière, euh, un dernier tour de table. Nadia, qu'est-ce que vous souhaitez euh, donc euh, pour l'émergence de, cette application qui est, qui est très importante pour les femmes hein, en grossesse D'abord, je voudrais remercier le CIPMEN pour tout l'encadrement qu'ils ont eu à nous faire. Grâce à CIPMEN et de certains partenaires, on a eu la chance d'être connus. Voilà, nous souhaiterons plus de partenariats avec euh, certaines ONG pour pouvoir euh, euh, avancer dans la même démarche. je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Nous sommes, c'est un prototype qui est là à 70% terminé. Et je, compte bien terminer parce que. Les 30%, c'est pour combien de temps Deux mois, ah, trois mois Dieu, parce qu'il y a des raisons de santé. Présentement, je n'étais pas en forme, mais, je suis là, grâce à Dieu, pour pouvoir terminer. Euh, ce sont des tests en fait pour pouvoir retrouver les, partenaires comme les, sociétés de téléphonie pour l'hébergement, pour, voilà, pour euh, permettre aux femmes de télécharger l'application. D'accord. Ablaziz Kounche du drone. Oui. Pouvez-vous répéter la question Oui, un, dernier mot donc par rapport autour de tout ce que nous, nous, autour de tout ce que nous venons de dire. Euh, c'est pour quand l'industrialisation du drone T600 C'est pour Très très vite. Dans un an, dans huit mois, non, non, non, non, c'est très très vite. Là déjà le prototype, le premier prototype va déjà voler d'ici euh, d'ici moins d'un mois. Et une fois que les tests sont validés, ben, je pense que dans les deux ou trois prochains mois qui vont suivre, je compte déjà passer à cette étape-là. Parce que c'est un drone déjà qui existe qui n'existe même pas en prototype, mais qui a déjà beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent déjà l'acheter. Une question, juste une curiosité. Vous avez combien d'employés Là, pour le moment, nous avons trois employés, donc un pilote, un responsable administratif et un élève pilote. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous recrutons à temps partiel en fonction des types de missions que nous avons. Ça permet de pouvoir réduire nos coûts. Les demandes dont vous parlez, c'est quoi Demande d'achat du drone ou, de, ou de, du service du Non, non, non, ce sera surtout des demandes d'achat du drone, mais service aussi, effectivement, puisque ce drone-là, sa première mission est déjà programmée pour, euh, fin mars et pourtant le prototype n'est même pas encore fini. Quelle entreprise par exemple C'est des ONG C'est surtout des, ONG, des, des entités euh, de type euh, international qui emploient nos services. Mokhtar Alaouri, un dernier mot pour les jeunes innovateurs, ceux qui, ont déjà, qui sont déjà lancés et ceux qui, veulent s'y lancer Oui, le, dernier mot, c'est vraiment un message d'espoir. C'est qu'on est dans un pays où... Euh, on n'a pas l'impression que les choses bougent. Euh, et là, aujourd'hui, euh, je suis, ça fait presque 4 ans que je suis rentré au Niger et de ce que j'ai vu, je pense qu'il y a véritablement euh, de l'espoir, de l'espoir pour créer des milliers d'emplois grâce à ces innovateurs-là, créer des champions nationaux et vraiment bâti sur le secteur privé. Parce qu'on a vu tout ce que notre, nos, nos prédécesseurs comme Diofo ont eu affaire dans l'énergie solaire, mais du fait que ce n'était pas forcément porté par des entités, euh, enfin une alliance entre le public et le privé, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Nous, nous apprenons de ces, enseignements-là pour pouvoir euh, créer des cadres plus, efficaces euh, plus et surtout plus durables. 18h passées de 58 minutes. Nous sommes au terme du forum euh, de ce soir. Nous étions avec euh, Mokhtar Allahouri, directeur général du centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPMEN, Madame Touré Nadia, celle qui a créé une application mobile de suivi de grossesse, et Abdulaziz c'est celui qui a fabriqué un drone et qui continue de fabriquer des séries. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition qui sera consacrée à la problématique de la faiblesse du niveau de l'éducation au Niger. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.